السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيد منتخى ابن السيد بسير ابن الشيخ الخديم ماني جبل تسلخو نيو ييغا خامني مومو جيم كي شيرين شيخ سيدي مختار خليف ييغا خامني ني مو ني تيور سونو كادو maa ngi teg ci sa loxo itam nuyoo yi jëm ci ñëpp ñi nga xam ni yaa leen njaboote te ñu jóge Touba te nekk ci saal bi bi gën di teg ci sa loxo nuyoo yi nga xam ni moo jëm ci ñu représenté këru diine yépp yu nekk Sénégal te bootu su sa gannaaw nekk fii itam ci saal bi suñu tàmbalee di lim rek amaana dina am lu ñu fay te comme dañuy rawante ak waxtu wi monsieur le premier ministre à vous et à la délégation gouvernementale qui vous accompagne je présente mes respects différents et vous fais comme à l'accoutumée des sajda ou alors des sujot au pluriel qui ne s'estomperont jamais. Cela fait 22 fois depuis que vous êtes installés, que nous nous rencontrons soit dans vos bureaux, soit dans des cérémonies de cette nature. C'est toujours un moment, pour moi en tout cas, empreint d'émotion pour tout le parcours commun que nous avons partagé au seul service de la République. D'abord, auprès du Premier ministre d'alors, et ensuite auprès du président de la République du Sénégal en ces instants. Monsieur Diagne Atouman, jamais, jamais, jamais, je n'ai pensé qu'un jour arriverait, depuis le moment où Serigne Bamba Samb et Serigne Madiang m'ont amené et introduit auprès du Daïra des étudiants maurites, qu'un jour arriverait où je prendrai la parole d'ordre et pour le compte de tous ceux-là qui m'ont pris par la main, qui m'ont formé, qui m'ont initié au mouridisme et qui m'ont appris à être un musulman, un citoyen. Et je laissais toujours, jusqu'à mon dernier souffle, un mouride qui fait la dignité de ses confrères. Je voudrais profiter de cet instant pour m'incliner devant la mémoire de ceux avec lesquels nous avons fait les classes et qui nous ont quittés précocement. À Ablaïndia Lamiyati. Je pense à Khadim Cham. Je pense à Baïndiaï, le meut de Bamba Je pense aussi à Mam Asgei. Mam Asgei qui, pendant plusieurs années, a fait Sérin Cheikh Abdullah sortir littéralement de ses gants fracassant ses portes pour venir nous accueillir, qui à Touba, qui à Belel. Je pense aussi à ceux-là qui, je le disais tantôt, nous ont pris par la main et ont fait de nous, pour la plupart, en tout cas en ce qui me concerne, ce que je suis aujourd'hui. Serine Saloum restera dans ma mémoire pour l'éternité. Nous nous sommes retrouvés ici et aux États-Unis. Et il m'a aidé à manager et à piloter le Daïre Masmouf Norini que j'avais créé à Minneapolis. Je pense à Baba Karmaï. je pense à Malik je pense à tant d'autres qui nous ont légué cet embryon du Daïre des étudiants mourus de la section de Toulouse que j'ai eu à animer de 1980 jusqu'à mon départ de Toulouse en 1986. Je pense à Alpha je pense à ils sont légions. Tchernondoï, que j'ai rencontré tout à l'heure, je pense à Amédian Doumbia. À tout, vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez ressuscité en moi ce jour-ci et depuis quelques jours que je travaille avec Moutala et Youssou Diop. Je me retrouve trempé dans cette même atmosphère qui a prévalu en 1980 lorsque dans votre résidence de la cité universitaire de face, nous faisions toutes les décorations, toutes les banderoles, pour accueillir ce Cheikh Abdelhat qui venait rendre visite à ndjougo Québec. C'est avec vous et sous les airs de ceux qui avaient une bien meilleure voix que nous avions appris à chanter Ya Khair Ata Bil Bishri Wal Madadi Ahlan wa Sahlan wa Tar Ibn Bila Adadi. Ce fut un moment historique pour les jeunes citadins que nous étions. Et heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup qui aient pris la parole avant moi et qui étaient témoins de cette époque où d'un coup de tête magistral, je mettais à terre un poteau électrique. À tout, vous avez pris le flambeau et vous avez perpétué nos ardeurs. Si vous n'existiez pas, il aurait fallu que nous vous inventions. Vous avez su rester vous avez su rester le perpétuateur d'ambitions multiples et variées qui sont nées dans nos cœurs et dans nos esprits, mais que vous avez pu porter dans vos bras avec de formidables jeunes qui pensent que le chemin sur lequel vous les avez mis, qui est celui de Serine Touba, celui du travail âpre, celui du travail érigé en culte rédempteur, celui de la science et du savoir, celui de la bonne attitude et du bon comportement tel qu'enseigné dans Nahju Khara el aj dans Tazou du Sikhar, eh bien, c'est ce chemin-là qui fait le citoyen de demain. Soyez-en mille fois remerciés. Je me souviens de ce jour où vous avez vidé votre chambre universitaire, les draps de lit, les livres, les habits, pantalons, chemises, cravates, jusqu'à la poussière de la chambre pour aller délivrer dans des mâles à Serigne Abdullah Nbaki. C'est comme si c'était hier, je me souviens du retour du bâton, mais un bâton bien doux et très agréable, à la saveur de canne à sucre. D'autres mâles, beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus riches dans leur contenu, vous ont été délivrés par Serigne Maudouma Mounian que tous soient vivement remerciés. Ce d'ailleurs des étudiants mourides, on ne peut pas en parler sans parler de mort, le chauffeur, toujours prêt à nous amener à Touba. On ne peut pas en parler sans parler de Sonny Ibrafal, de Cholomfal, qui était garçon de couloir et qui est devenu responsable plus tard au niveau du coude. On ne peut pas en parler sans parler de Damjai, qui pendant cette époque était le docteur du coude on ne peut pas en parler sans parler de Baba Mbaye, de Baba Ndiaye, de Alun Mbaye de Balagaï, de Omar Sal, de Youssou Diop, de Youssou Saho. Mais ils font légion et c'est avec toujours beaucoup de plaisir que je les retrouve. Mais surtout, et c'est par là que je vais terminer, je ne savais pas que nous serions un jour cela qui porterait non seulement contrariété, mais contradiction à cette sentence qui a accompagné le rapport attestant de la disparition de Sorin Touba le 19 juillet 1927. Ce rapport disait qu'avec la mort d'Ahmadou Bamba, les velléités vénérées, avec la disparition d'Ahmadou Bamba, vénérées comme un véritable prophète, s'estomperont les velléités de la secte mouride je puis vous assurer que nous avons vocation à leur porter contradiction. Ils n'ont pas réussi à amadouer Serine Touba, ils n'ont pas réussi à nous assimiler à la culture française. Ils n'ont pas réussi à faire de nous des citoyens français aliénés par rapport à leur propre culture. Nous avons profondément appris la leur, mais nous avons su rester nous-mêmes. Je vous remercie.